le Rufisquois ñëpp japp ni site internet bobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim je suis en train de dérouler ce qui est contenu dans la feuille. la réalité aussi euh, semble. mais permettez-nous aussi de respecter un peu le chronogramme. nous allons donner la parole à une conseillère municipale. chez nous c'est la parité quoi et c'est la parité intégrale. en marge de l'atelier de Dakar sur euh, la mise en œuvre des conventions euh, des villes africaines et des villes marocaines. Euh, nous sommes ici aujourd'hui avec l'autre partie de la convention qui pour effectivement parler de la mise en œuvre de, cette convention. Et on s'est déjà mis d'accord sur un certain nombre de, projets. Le premier, donc, un premier nombre de projets. Aujourd'hui, nous sommes ici pour se rapprocher davantage de la ville et voir sur les choses sur lesquelles éventuellement on pourra travailler en concertation avec nos partenaires de, de, bien sûr, cette convention rentre dans le cadre de la mise en œuvre également du député royale euh, de l'ouverture sur l'Afrique et la coopération sud-sud. Elle rentre également dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda sur le développement. Et donc, euh, nous sommes euh, engagés, euh, que ce soit du côté de Dakhla ou du côté de l'IFISC, de faire en sorte à que, Inch'Allah, cette euh, convention puisse aboutir à des actions concrètes qui peuvent améliorer euh, la vie quotidienne des populations des deux villes, qui peut améliorer le paysage urbain de nos villes de manière à ce qu'ils soit plus attractifs, plus, plus bon, bon vivre. Euh, tout à l'heure, vous parlez de pragmatisme. Est-ce qu'on peut avoir une idée des, projets que vous avez euh, Oui, en fait, euh, aujourd'hui, nous sommes sur l'action. Nous ne sommes plus sur le, diagnostic ou sur le, la théorie stratégique. Aujourd'hui, nous voulons que cette convention, cette, ce partenariat puisse aller vers la réalisation de projets effectifs. Nous, sommes, nous avons déjà identifié un certain nombre de projets notamment la création d'une agence urbaine au niveau du fisc. Cette agence pourrait éventuellement jouer le rôle d'avoir euh, donc un bureau d'utilité technique qui pourrait euh, décliner les visions stratégiques en projet opérationnels. Nous sommes également sur un projet d'aménagement de, deux jardins ici à Dakhla, euh, ici plutôt à Rifisque. Et nous comptons vraiment que ces projets puissent être réalisés dans les délais parce que nous sommes tenu aujourd'hui par un délai qui est celui d'Africité 2010, date donc euh, de, la remise en quelque sorte du bilan des conventions qui, qui sont signées entre euh, les villes africaines et les villes marocaines, dont, également celle de Dakhla avec les seet ci wàllu aalam seet ci wàllu lan lañu war a doxalee seen ëllëg lan lañ ci mën a def te mu gaaw te ñu man cee jariñu jariñu ci bi ñu meeru Tëngéej yabalee euh, ci kàttanu yàlla euh, di maire Daouda Niang ñu ànd ak directeur de la coopération Issa ànd ak euh, AS Babou Fall directeur de l' ak madame Aïda Sabara ak ñi nga xam nous ñoom ci seen wàllu fii ci mairie bi muy Amadou faire, yu ndaw kese kese kese la ñu xam ni ko ci diir bu bi ci aménagement paysager urbain muy ñaari fonk nañ jardin public def ak place bi ñu tuddee woon Gabar léegi mu tudd place Aly Gueye ñaareel bi moo di ñoom dox la am ñu xalaat ci wàllu euh, mbalit li ñuy wax tri sélectif maanaam nan la ñu fexe ba mbalit mi ñu man ko jariñoo loolu ñoom seen projet la ñoom dinañ ci fas yéene doxal beneen bi ci wàllu aada ak cosaan ñu ne fii ci Tëngéej am nañu ñom yéene jappalé ñu ñu gëstu ba xool yan aada ak cosaan ñoo fi mëna a euh, fexe ba euh, dëkk bi doon dëkk bo xamni ni day dëkk buy fenk dëkk buy euh ñetteel ba ñu né ñi nga xam ay réew lañu wala ay dëkk yo xamni euh ñu ngi sëy sëq wala ndox amna na yo xamni war nañ ko jagleel balay ci tënk daal ñetti mbir yu ndaw yooyu moo jur euh, xalaat yi nga xam ni euh, li koy màndargal mooy diggaale bi ñuy wax convention diggante Dakhla ak Tëngéej ñuy gërëm suñu mbokki Dakhla yi di gërëm mairie Tëngéej ci liggéey bi nga xam dañ ko tàmbali rek il faut nag conseil municipal bi d'abord bureau municipal xam ko càmbar ko luñ ci yokk ñu yokk ko luñ ci wàññi wàññi seet nag lan lan mooy cëslaay bi te recommandation bi ci bi ci am solo maanaam dénkaane bi ci am solo lii nga xam ni euh, xalaat ni ni xaalis bi koy lal maire yi ñoom ñoo koy euh, indi ba pare jéem a seet keneen ku leen ci jàppale ci gàttal daal loolu loolu daal mooy yi seen ñëw fi ginnaaw bi ñu leen dalalee ca la ñu ñëw fii ci Tëngéej muy weesaloo bi am diggante Daxla ak Tëngéej te ñu ngi wax ni kenn du àtte nit ci li muy wax ci li muy jëf te waa Tëngéej ñu ngi séntu ci jëf moo tax mu ne nañu baral lii te dañu am euh, manko bu ñu defoon ci li ñuy wax euh, africité fële ca Marrakech ñu ne euh, li nga xam ne mooy yéene yu ñu naan bu ñu dawalee ñaar wala ñetti at dinañ xayma naka la ko dëkk yi diggaale woon doxalee loolu moo tax mu ne nañu gaawal ba bu ñuy natt ñu xam ne Dakhla ak Tëngéej am na lu ñuy jëf